le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio passé de 15 minutes, bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 24 août 2018. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du forum de ce soir, et la fête de Tabaski célébrée au Niger mercredi dernier. Nous verrons avec nos confrères les particularités de cette fête qui sont entre autres l'immolation et la grillade des moutons avec tout ce que cela implique en termes de gaspillage et d'impact socio-économique et environnemental. Il en sera question aussi dans cette émission de l'évolution du choléra dans la région de Maradi avec des cas signalés dans le département de Kidanrumji. Quelques 24 décès sont à déplorer à ce jour à Madarumfa et Maradi. Enfin, nous irons au Mali pour parler de la fin du processus électoral. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est réuni à la tête du Mali avec un score de 67,16% des voix contre 32,44% pour son challenger Soumaïla Sissé. La Cour constitutionnelle malienne a validé ces résultats le lundi dernier Cependant, le principal opposant du président sortant, Soumaïla Sissé, dénonce des fraudes, à déclarer hier jeudi et a déclaré hier n'est pas reconnaître les résultats et invite les Maliens à sortir demain samedi pour contester les résultats. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Issa Morumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Ousseini Issa, journaliste freelance. Bonsoir Ousseini. Bonsoir et l'âge Suleiman Mahamadou du journal La Ligne Niger Inter. Suleiman, bonsoir. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation à la présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous ouvrons par la célébration de la Tabaski, Id adha Ici au Niger, il y a qui est célébré. Ici euh, au Niger, il y a deux jours. Lorsqu'on évoque euh, la tabaski, on a tout de suite en tête cette tradition d'immolation des moutons et de grillade de la viande. Si ailleurs le partage de la viande s'est fait aussitôt après l'immolation au Niger, l'étape de la grillade est presque devenue obligatoire avant le partage euh, le lendemain, tant cela s'est incrusté dans les habitudes des Nigériens. Sauf que l'on s'aperçoit rarement de la menace que représente la grillade de la viande pour le couvert végétal et au-delà pour l'environnement. Le colonel Oumar Alou, directeur régional de l'environnement de Niamey, indique que dans la ville de Niamey, à l'occasion de la Tabaski, ce sont 47 000 tonnes de bois qui sont brûlées pour la seule journée de Tabaski et cela représente 18% de la consommation annuelle en bois de chauffe pour la ville de Niamey qui est, qui est de 273 160 tonnes. Il est vrai que de nos jours, l'utilisation du charbon minéral commence à s'intégrer dans les habitudes. Alors, je m'en vais tout de suite commencer avec vous, Elège Suleiman Mahmoudou, du journal La Ligne Niger Inter. Euh, face à cette situation, quelles sont les alternatives qui s'offrent aux Nigériens pour ne pas abuser du bois, le charbon minéral qui manquait Merci ou l'abandon de euh, Je commencerai par dire euh, bonne fête à ceux qui nous écoutent, que Dieu accepte de nous d'eux. C'est pour sacrifier à la tradition, comme c'est une grande fête. Alors, euh, par rapport à votre question, il faut admettre que euh, la fête de Tabaski, particulièrement, c'est une de, c'est la deuxième fête musulmane. On n'en a pas beaucoup de fêtes. Donc, quand ça arrive, euh, c'est l'occasion pour les musulmans de se délecter, de se défouler, en tout cas, euh, disons de solidariser une vertu essentielle en islam mais comme vous dites, euh, cela a des impacts euh, sur euh, notre environnement, sur la qualité de notre vie. si seulement, effectivement, on faisait attention pour en prenant un certain nombre de précautions. vous le dites bien, aujourd'hui, de plus en en tout cas, on se rend à l'évidence que en tout cas, il y a des citoyens qui donnent de, bons exemples. Vraiment, la cuisson par le charbon commence vraiment à être une réalité comme alternative concrète et vraiment ceux qui ont éprouvé cela se rendent compte non seulement de l'efficacité en termes d'économie de, temps, mais aussi de la, euh, la propreté, l'hygiène en tout cas, même dans la cuisson de, de, de la viande. Je pense qu'il faut encourager cela. Euh, L'autre aspect, c'est aussi euh, un travail qui doit être fait, vraiment, c'est la question d'hygiène, parce que vous voyez, entre avant-hier et aujourd'hui, euh, la ville, franchement, c'est, ça sent mauvais parce que simplement, euh, il n'y a pas de mesures d'hygiène appropriées. Les gens font de n'importe quoi. Et je pense que tout cela doit être accompagné par une sensibilisation vraiment permanente euh, pour qu'on puisse éviter ces situations qui ont quand même des conséquences sur la santé des gens. Euh, Issa la grillade de, de la viande des moutons au lendemain de, de, euh, la, à, cette, en cette occasion de, de fête de Tabaski, on a vécu en tout cas euh, le bois. Et, oui, effectivement, eh, <clears throat> on utilise trop de bois. sept mille tonnes, c'est énorme pour une seule journée. Quand on connaît un peu euh, la capacité d'existence de, de, de notre couvert végétal il faut le dire, euh, nous consommons beaucoup de bois. Il faut penser à notre environnement, surtout pour un pays à deux tiers désertique, qu'il faut trouver des alternatives. De toutes les façons, quand on, on, essaie de se renseigner par rapport à cette tradition de viande, c'est juste une manière un peu de rendre très utile l'aumône. Comme on dit dans la religion, l'aumône, il faut le faire quand c'est opportun et quand ça va bénéficier euh, à celui qui reçoit l'aumône. Les gens ont juste eu l'idée parce que donner la viande... Euh, cru comme ça. D'autres, on les met dans des situations confortables parce qu'ils n'ont même pas les moyens euh, de faire cuire euh, cette viande. Donc, il faut, ils vont se mettre dans d'autres situations, aller chercher de quoi faire et euh, cuire cette viande. Donc, il fallait trouver la stratégie, le juste milieu. Mais moi, je pense tout de même, nous pouvons trouver d'autres alternatives. En faisant quoi En utilisant soit le, euh, le charbon minéral, soit le charbon de bois qui est importé, ou bien euh, faire comme d'autres pays où après l'immolation on dépaisse, euh, on coupe la viande, on fait de la soupe et on le partage aux nécessités. Moi je pense que c'est de l'aumône, ça c'est un devoir religieux, l'aumône qui est mis en, avant. Donc il faut pas que mais dire aux gens d'un seul coup et euh, arrêter de, de, de faire la, la grillade, ça va être un peu perçu comme e, e, une offense pour certains. Mais tout de même, j'ai apprécié les initiatives cette année. On remarque euh, à travers euh, les jeunes volontaires de l'environnement, euh, leur initiative Tabaski Écolo, qui consiste dans un premier temps à, après immoler un mouton, un arbre. Quand vous immolez, il faut planter un arbre et l'entretenir. Euh, une façon de dire que nous gaspillons euh, du bois, par du bois, donc il euh, faut qui est issu d'arbres coupés. Voilà. Et en même temps, nous plantons un arbre. Effectivement. Et il y a de l'autre côté l'utilisation du charbon à travers une forme de grillade très efficace et qui ne fatigue pas donc qui ne vous prend pas toute la journée. Donc vous voyez un peu c'est écolo et c'est aussi vraiment des initiatives que je pense que si on continue à les pérenniser, ça peut vraiment amener à ce que nous puissions restaurer le peu d'arbres que nous avons déjà que jusque-là, les gens n'ont pas encore perçu l'utilité de, de l'arbre dans notre quotidien. Qui nous protège d'ailleurs euh, contre beaucoup de euh, phénomènes extrêmes, notamment les vents violents, effectivement, les inondations. L'érosion, tout ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Mais tout de même, nous pouvons faire quelque chose avant euh, dans le but de laisser une planète saine et sauve aux générations futures. futures. Hussein Issa, euh, cette question de Tabaski avec l'utilisation du charbon euh, minéral, l'utilisation du bois Bon, ben, <clears throat> Alassane, c'est une vieille tradition, et un peu dans nos pays. Et je veux dire, c'est une tradition qui s'est délocalisée d'ailleurs. Parce que je connaissais des régions à l'époque où les gens ne grillaient pas. Euh, vers un peu les régions de l'Est, euh, un peu. Les gens n'écrivent pas, bien sûr. Mais c'est avec un peu <laughs> la mobilité les fonctionnaires qui allaient, qui sont restés ici, et même dans ces régions, la tradition est aujourd'hui ancrée. Maintenant, ce qu'il faut, comment vais-je dire, euh, saluer, c'est que de plus en plus, les gens se retournent vers le char l'usage du charbon. Ils recourent au charbon, et l'usage du charbon, comme ils l'ont dit tous, Allah Suleiman l'a dit, Issa Madougou vient de le dire. Non seulement il y a l'économie de temps, et la grade est bien faite. Le problème qui se pose, mais dans cette, ce recours au charbon, c'est que le charbon minéral, il y a eu des cas, rien que cette année, la quantité n'est pas disponible. Effectivement, il y a eu une pénurie, les gens étaient nombreux à, euh, chercher. Les gens sont obligés de recourir au charbon qui vient un peu des pays côtiers là, le Bénin, un peu comme avait dit. Et ça, c'est du charbon issu d'arbres d'arbres Voilà qu'on Moi, j'ai dit, il faut, en tout cas, avec le temps, il faut essayer de prendre les mesures nécessaires parce que quand les gens vont être habitués au charbon, c'est pas nécessairement que tout le monde va recourir au gaz. Même pour la cuisson des repas au quotidien, les gens peuvent utiliser ce charbon-là. Mais malheureusement, c'est ces ruptures-là. À partir du moment où la disponibilité, on crée la disponibilité, moi je dis, les gens vont se rabattre. Parce qu'il y a même des fourneaux, je me rappelle un temps, il y a eu une campagne de sensibilisation, on a voulu faire de ça, en tout cas pousser les gens à aller vers ce charbon-là. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Il y avait un projet qui avait été lancé, mais ça n'a pas été suivi. Et tant qu'il n'y a pas la quantité nécessaire, il faut pas se faire d'illusions. Les gens vont continuer à utiliser le bois de chauffe, en tout cas pour les cuissons, en tout cas pour les, besoins, leurs besoins quotidiens. Il faut pas se faire d'illusions. Il faut que ceux qui s'en occupent au niveau de la Sonicha, au niveau des projets et autres, il faut qu'on crée les conditions pour que ce charbon-là soit disponible, y compris dans les quartiers avec des points de vente où les gens peuvent aller se ravitailler. Et avec les, parce qu'il y avait même des fourneaux qui avaient été fabriqués spécial. Euh, est-ce qu'il y a d'autres d'autres alternatives en dehors du recours au charbon minéral ah, La seule alternative, dans d'autres pays, on, on, est-ce qu'on imaginerait un jour les Nigériens abandonnés Non, euh, on ne grille pas dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui fait que les gens grillent C'est que c'est le lendemain de la fête que les gens distribuent la viande. Même ceux qui grillent pas, qui font chécher, ils attendent le lendemain eux aussi pour distribuer. Ce n'est pas systématiquement que, la distribution que, que comme avait dit, et, comme le sacrifice quand on le fait, c'est ça le problème. Est-ce que les gens vont s'optiquer de cette tradition-là parce que c'est une tradition Sauf que ce n'est pas religieux, c'est simplement des habitudes qui sont ancrées. Mais une tradition, quand ça s'ancre et ça prend, comme avait dit, avec le, on peut pas changer du jour au mhm. lendemain parce que <coughs> moi je suis né, j'ai trouvé ce système-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Et c'est pas moi qui peux changer ça. Mhm. D'autres aussi, ils sont venus. Il y a les enfants qui sont en train de grandir, ils sont en train de voir ce que nous, nous faisons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer aussi. Mais les alternatives, c'est que il faut créer les conditions pour que les charbon minéral soient disponibles. Non seulement pas pour la fête uniquement, hein, mais même pour la cuisson, le repas au quotidien dans les familles avec des fourneaux qui, parce qu'à l'époque, le projet avait fait des fourneaux, des modèles de fourneaux où on peut utiliser ce charbon-là. Mais tout cela. Mais on laisse tomber. Le problème, c'est que il faut du temps pour que ça prenne. On peut pas dire, on a expérimenté sur trois mois, sur six mois, sur un an. Ça ne suffit pas. Il faut aller peut-être sur deux ans. Quand les gens vont s'habituer, le gaz, c'est comme le gaz. Bien. Ousseini, parlons, excusez-moi, parlons d'un autre aspect de, cette fête de Tabaski, mm. euh, notamment toutes les dépenses qu'il y a autour euh, l'achat des moutons, euh, le bois, euh, les habits pour la, pour la famille. alors que, en tout cas, pour beaucoup de gens qui n'ont pas un revenu assez, assez moi, suffisant. Moi, je pense que par rapport à cette fête-là, de plus en plus, les gens ne se préoccupent plus de l'habillement des enfants. La préoccupation première, c'est le mouton. Et puis un peu les accessoires, notamment comme vous l'avez dites, mm. le bois et, un peu les ingrédients et tout et tout pour assaisonner. Même les enfants n'en font plus une préoccupation. De plus en plus, les gens ne se préoccupent plus de, de, vouloir habiller les enfants, mais c'est un peu la spéculation. Mm. Quand ça approche, il y a une spéculation qui est là. heureusement, cette année, on a constaté que les vendeurs de moutons, ils ont compris que <laughs> les temps sont durs ils étaient obligés de vendre. En tout cas, si tu trouves un petit bénéfice, tu as vendu. Sinon, tu vas retourner avec les moutons, tu les as transportés, tu as, tu as fait des kilomètres, des, centaines, peut-être une centaine de kilomètres ou 200 kilomètres pour amener des moutons que tu dois réacheminer là où tu les as pris. Ça va coûter cher alors que tu n'as rien vendu euh, Elhaj Suleiman Mamadou, euh, comment euh, comment euh, apercevez-vous cette situation pour certains, euh, pour, pour des, si nous prenons le cas des salariés, qui en tout cas pour euh, beaucoup oui, malgré tout euh, cette année quand même, il y a, eu, beaucoup, de, de, beaucoup de spéculations Notamment lorsqu'on avait annoncé qu'il y aura le salaire du mois d'août, euh, j'avoue que les moutons, le prix a grimpé. Et un, autre phénomène qui a aggravé la situation aussi, c'est les ONG humanitaires aussi, qui sont venus un peu devant pour, se procurer le mouton. Donc ce qui fait que euh, c'est quelqu'un qui pouvait avoir une semaine avant son mouton à 80 000, 100 000, il peut l'acheter à 150 000. Vous voyez, c'était assez. Et ça, ça peut avoir euh, aussi une conséquence mais, dans l'après-Tabaski. Le prochain salaire en euh, étant. En fait, il, il, a, dit, il, a dit, au niveau de la famille, euh, les gens sont de plus en plus compréhensifs. Même les enfants, en tout cas, il accepte que ce qui serait gênant pour eux, ce n'est pas avoir le, mouton. Finalement, en réalité, vous voyez, c'est un aspect religieux. Et la religion ne complique pas la vie. La religion, c'est pour faciliter. ça ne va jamais être un problème religieux si vous n'avez pas les moyens. Mais en fait, c'est une pression sociale. Euh, j'ai vu un chrétien qui dit que moi, vous voyez, je ne suis pas musulman, mais chaque année, il y a juste un mouton pour que les enfants ne portent, mes enfants ne portent pas. En fait, voyez, donc, arrêtez une pression au niveau des enfants, au niveau des, de, vous voyez combien de, trucs de ménage il y a eu entre femmes et époux, parce qu'il n'y a pas le mouton dans la maison. C'est ah, un problème de mentalité, et je pense qu'il faut travailler. C'est pourquoi les médias, effectivement, on doit faire assez d'efforts pour sensibiliser euh, les gens que arrêter la, la, le souvenir pour simplifier, pas pour compliquer la vie. Alors, autre chose, Issa Mormadougou, et le remarque aussi euh, que le de la fête, euh, ce sont souvent les prolongations jouées par certains agents de l'État ou même quelques-uns du privé absents, souvent de leur lieu de service au lendemain de la fête. Et c'est là au-delà des jours fériés indiqués. Oui, effectivement, c'est ce constat <coughs> évident. Chaque fois, la situation se présente telle qu'elle. Euh, au lendemain des fêtes, euh, on trouve peu d'engouement. On pourra voir si vous avez quelque chose, que vous avez une activité ou bien euh, un petit problème à régler au sein d'un service, que ça soit surtout c'est au niveau du public et semi-privé que vous retrouvez ce genre de situation. Mais certains, euh, euh, dans certaines sociétés multinationales, là, vous savez que vous devrez être à l'heure pour être vraiment. non, oui, parce que il y a le checking il faut que vous ayez le checkpoint, vous devrez passer ça avec votre badge. Quand vous ne venez pas, vous savez de quoi il s'agit. Donc là, les gens sont obligés. C'est juste une manière pour faire, ce n'est pas jouer le gendarme derrière. Mais quand même, moi, je pense que quand vous êtes appelé à remplir une mission, vraiment, quelle que soit la situation, trouvez le juste milieu, même si vous ne serez pas disponible, trouvez le juste milieu. Mais il est incompréhensible de partir dans un service où souvent c'est le manœuvre seulement que vous retrouvez. Et ça, c'est pas concevable. Mais aujourd'hui, j'ai vu certains ministères où j'ai, ne je m'attendais pas à trouver des gens. Quand je suis parti ce matin, j'ai fait le tour et j'ai trouvé des gens. Et ils étaient là, ils étaient leur bureau, dans leur bureau, ils ont commencé à travailler. Ils ont compris que il y a ces, des, des, usagers du service public qui en ont besoin aujourd'hui de leur service. Donc, il faut pas pénaliser tout ce beau monde pour ses propres désirs. Donc, moi, je pense que c'est il ça dépend de l'humeur de la personne, mais tout de même, quand vous le faites, c'est que vous, il faut vous dire que vous êtes en train de pénaliser et de causer du tort à d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur euh, la situation de spéculation. Vous savez, les moutons, ce, ce devoir religieux, c'est certains de nos concitoyens qui, qui compliquent l'accomplissement de ce... devoir. obligation. non, qui complique même l'accomplissement de ce devoir religieux à d'autres citoyens. Notamment en faisant quoi En mm. faisant de la spéculation leur spécialité. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez sur les marchés de bétail avant la fête, il y a les particuliers qui s'invitent dans le commerçant pour autant maîtriser tous les contours et qui font en sorte que les prix grimpent. Aujourd'hui, heureusement, cette année, pas comme l'année passée où il y a eu assez de mes ventes Mm. au niveau de ces particuliers. Mm. Cette année, il n'y avait pas assez de moutons. Là, quand vous prenez sur l'ensemble euh, euh, de la région de Niamey, l'offre a triplé voire quadruplé, et la, demande plutôt a quadruplé l'offre. Il n'y avait pas assez. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous faites un tour dans les différents marchés de bétail, il n'y a pratiquement rien. Mais l'année passée, à la même période, il y a assez de moutons parce que il y a les particuliers qui se sont invités et qui ont spéculé Cette année, pour peur même les commerçants, ils ont dit qu'il y a des gens qui vont aller le faire eh, d'une manière pas du tout eh, mm. eh, au, avec le respect des les réalités des Nigériens qui prennent des moutons, qui les achètent, voire ils disent eux-mêmes, ils témoignent dans la bourse 80 000, 90 000, qui viennent sur le marché pour demander 300 000, 350 000. Donc voyez-vous, ils mettent les, certains Nigériens dans des situations des pères de famille quand vous savez que chaque année, pratiquement depuis ces quatre 4 dernières années, la tabaski euh, est, est à quelques jours de la rentrée. Donc tu vois, un peu, c'est c'est tellement difficile pour les pères de famille de vouloir supporter ces dépenses supplémentaires. Bien, au Issa, euh, c'est vrai que Issa l'avait évoqué tout à l'heure par rapport à l'absentéisme qu'on a souvent constaté au niveau des, services euh, publics. Euh, de plus en plus, c'est vrai, il y a un changement qui est en train de s'opérer où les gens ont Commence à prendre l'habitude de retourner au service le lendemain de la fête. Oh, mais en réalité, c'est... à quoi est-ce que cela euh, est dû Non, mais quand les gens, le tout n'est pas d'aller au service, mais de faire le travail. Hmm. Le plus souvent, c'est à quoi on assiste, parce que bon, l'absentéisme, c'est pas la présence physique qui compte, mais le fait de pouvoir être efficace quand on est au bureau faire le travail pour lequel on a fait le déplacement. Mais aujourd'hui, cette histoire de prolongation-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. De tout temps, les gens, surtout quand c'est la fête de Tabaski. La fête de Tabaski, la personne, surtout quand ça coïncide avec vers la fin de la semaine, le week-end, la, les gens font la prolongation. Mais malheureusement, c'est tout, c'est dû au fait que on ne sanctionne pas. Normalement, quelqu'un, vous savez que vous avez deux jours vous avez deux jours de congé par rapport à la fête. Mais le troisième jour, il n'y a pas de raison à ce que vous ne soyez pas au bureau. Mais quand vous êtes au bureau même, c'est qu'il faut travailler. Mais malheureusement, c'est pas évident. Même quand la personne fait le déplacement pour aller au bureau, souvent, c'est juste pour saluer les, les, les, les, collègues de service et puis rester, tourner un peu et puis s'en aller. C'est ça, l'inefficacité de notre administration publique. L'administration publique aujourd'hui, si on doit évaluer, moi je dis, quelque part, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut euh, corriger. corriger. là, Suleiman, si vous avez quelques mots à dire par rapport à ça, nous allons passer au suivant sujet. Oui, c'est un problème réel. Euh, je crois, même en temps normal, euh, vous voyez, les gens viennent à retard. Tu dois venir au bureau à 8 heures, tu viens à 9 heures, à 10 heures, tu vas aller chez le boucher. Franchement, c'est très, très délicat. Il va falloir que l'autorité, en tout cas, prenne des précautions pour que les gens, quand viennent travailler, ils viennent travailler. Moi, je pense que c'est là, la solution. Parce que cela est souvent il faut, il faut, euh, le responsable des baisses de rendement. Il faut des caméras, il faut que le chef du personnel, en tout cas au niveau des services, puisse effectivement faire le gendarme. Sinon, vraiment, on ne travaille pas, il y a beaucoup de jours chômés. Euh, franchement, il faut que ça change. parlons, euh, parlons maintenant euh, du choléra qui sévit dans certaines zones de la région de Maradi. Le 4 juillet, c'est la date du début des premiers cas enregistrés dans le département de Madarumfa, puis à Maradi-Ville et depuis quelques jours, une vingtaine de cas positifs enregistrés à Tibri romji Il a été dénombré un total de 1561 malades et 24 décès. Je vous propose d'ailleurs de suivre les détails donnés par le directeur régional de la santé publique de Maradi, Dr Kalla Idi, cette semaine. Il est au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Mamad. À ce jour, euh, nous avons totalisé pour Madaronfa 1561 cas avec 24 euh, décès. Et aujourd'hui même, nous avons 85 malades hospitalisés à Madaronfa à travers les différents CSI et les différents centres de prise en charge. Pour Maradi euh, Maradiville, euh, nous avons totalisé à la date d'aujourd'hui 131 cas, dont 7 cas sur le site aujourd'hui et nous, avons, nous déplorons aussi 6 décès. Pour Guidarumji, nous avons une situation à euh, Tibiri qui vient d'être découverte récemment mais nous n'avons pas encore la confirmation du laboratoire, même si les TDR qu'on a eu à faire nous ont indiqué en tout cas c'est positif. Donc euh, nous avons une moyenne de 10 malades euh, hospitalisés et dans les deux ou 3 jours, euh, ça fait déjà plus de 20 cas qu'on avait enregistrés aussi à Guidarumji. Voilà, docteur Kalaïdi, directeur régional de la santé publique de Maradi, au micro de Mohamed Maman. Alors, Suleiman, continuez. Quel commentaire vous inspire cette situation qui semble se propager de jour en jour le, choléra Bon, franchement, c'est. Ce qui j'observe, c'est la vulnérabilité euh, des populations euh, dans notre pays et cela doit interpeller franchement davantage. Euh, il y a en plus de précautions médicales en tant que telles aussi des précautions au niveau des populations elles-mêmes parce que quand même le choléra c'est aussi un problème d'hygiène. Hein. C'est un problème d'hygiène et d'assainissement absolument. Donc, et euh, je pense que tout au long de la situation, le ministère de la Santé a, a, a, a communiqué. Et moi, je l'ai dit l'autre fois, que en fait, tant que euh, on continue euh, véritablement à négliger l'assainissement, la question d'hygiène, en tout cas, on va toujours connaître des situations comme ça. Seulement, il faut regretter que le choléra, c'est quand même des, des maladies quand même qu'on pourrait traiter des banales euh, mais qui continue franchement chez nous à faire des, dégâts. C'est aussi assez, assez, assez révoltant. Je pense que les, techniciens doivent véritablement euh, contribuer à ce qu'on puisse, euh, franchement, que des, maladies comme ça, en tout cas, qu'on puisse prévenir, si on peut prévenir, en tout cas, cette situation. Donc, je pense, en, résumé, c'est que au niveau donc le service services de, de, la santé au niveau des populations, c'est ensemble justement qu'on doit conjuguer euh, donc les efforts pour prévenir euh, une telle situation. Issa Mormadou euh, ben, De toute façon, on l'a dit une fois sur euh, ce plateau que c'est une maladie et surtout connaissant la zone, la proximité qui règne, de d'intensifier les sensibilisations. Et nous sommes à une période où il y a beaucoup de marques qui, c'est la période de crue. Donc, et les gens utilisent. Et vous savez que c'est un problème d'hygiène, euh, le, euh, le choléra. Le ministre a dit aussi ils étaient confrontés dans la prise en charge par ça, l'afflux des malades qui viennent du Nigeria, qui préfèrent venir se, soigner au Nigeria car ils mhm. trouvent très efficace euh, le système sanitaire nigérien. Donc, vous voyez tout cela peut ne pas faciliter la situation, mais quand même, il faut remercier aussi les partenaires du Niger, Médecins sans frontières et autres organisations qui ont soutenu l'État nigérien dans la prise en charge. Mais tout de même, si on pense qu'il y a euh, un travail bien fait qui a été abattu, ne négligeons pas. On ne sait pas parce qu'il y a les déplacements du, euh, de, de, de, de personnes. Oui. oui. Surtout dans cette période. Parce que vous savez, quand vous connaissez un peu la zone, il y a des gens, des gens euh, euh, au cours de cette période qui, se déplacent euh, d'un village à un autre, soit pour aller travailler, soit pour aller s'installer pour toute la campagne. On ne sait pas qui est, qui a contracté mm. la maladie avant son départ. Mm. Donc c'est pour cela que il faut sensibiliser les gens. Moi, je pense que cette maladie aujourd'hui devrait faire l'objet d'une grande sensibilisation, pas seulement au niveau de la région de maladie, hein, au-delà de la région de Maradi, parce que vous savez que aujourd'hui le choléra est, est, apparu dans des pays où on n'imaginait pas. Vous prenez le cas de l'Algérie. Mm. L'Algérie, des cas ont été détectés, donc ce qui veut dire qu'il faut intensifier parce que la libre circulation des personnes et aussi peuvent être ne pas faciliter la tâche dans la prise en charge. On ne sait pas qui est malade, qui il faut euh, suivre de près. Donc tout cela, c'est une maladie mortelle. Déjà, vous avez vu le nombre, euh, comme le docteur l'a dit, décès. 24 euh, décès, c'est énorme. Donc moi, j'encourage les agents de santé à continuer cela. Et il faut aussi mettre à contribution toutes les populations pour faciliter la sensibilisation faire passer le message. Bien. Issa, qu'est-ce qui retient vous particulièrement votre attention par rapport oh, à cette... Euh, maladie et la manière dont elle est gérée. une pandémie. Chaque année, on fait face à ça dès que s'installe. Parce que c'est les matières fécales qui sont à l'origine. Et on sait un peu comment ça se passe dans les campagnes. C'est l'eau de ruissellement. L'eau, quand ça coule, ça traîne les déchets et tout et tout. Ça les amène dans les mares. Et les gens consomment l'eau de mare parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour pouvoir aller puiser de l'eau. Les gens utilisent l'eau de mare souvent quand ils sont au champ pour laver les tasses, pour boire même. Voilà le véritable problème. Maintenant, créons les conditions. Créons les conditions pour qu'il y ait des sanitaires. En tout cas, même si ce n'est pas forcément des sanitaires améliorés, mais là où les gens peuvent aller faire leurs besoins quand ils ont. Mais les gens font ça à l'air libre. La défécation à l'air libre, c'est ça le véritable problème. Tant qu'on n'arrive pas à mettre fin à, ça dans les campagnes, il faut pas se faire d'illusions. Je veux qu'il y ait un seul cas pour que pratiquement ça devienne une contagion et que beaucoup de populations vont contracter. Et c'est pour ça que d'ailleurs un cas de, choléra constitue déjà une épidémie. Voilà. Cette année, c'est le cas de Mahdi. Je pense l'année dernière ou il y a deux ans, c'était Tilaberi, dans la zone de Tilaberi. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu beaucoup de morts aussi. C'est qu'il faut créer les conditions pour qu'effectivement mettre fin. Il y a des projets qui ont été lancés. Et euh, là, je l'ai dit, euh, voilà, voilà. communauté qui vraiment sensibilise Il faut empêcher aux gens d'aller à l'air libre. Parce que tant qu'il n'y a pas la défication à l'air libre, là, c'est pas évident. Mais tant qu'il y a la défécation à l'air libre, quand l'eau vient, l'eau de pluie, ça va charrier tout ce qu'il y a comme déchets. Quand il y a une mare, ça va aller dans cette mare-là. Et les gens vont utiliser l'eau. Et tant qu'il y a ça, il faut pas se faire beaucoup d'illusions. C'est pas une affaire de sensibilisation. Il faut amener les gens à arrêter à déféquer comme ça. Et avoir aussi les infrastructures. Hein, vous l'avez dit, les, infrastructures. Euh, ça doit s'accompagner. Ce n'est pas simplement, oui, bien sûr. Tout ça, l'adoption d'eau. pratiques hygiéniques que nous devrons euh, adopter. Parce que même à Niamey, vraiment, le Nigeria, on est sale. Hein. parce que regardez, Suleiman l'a notifié tout à l'heure, le lendemain seulement, Niamey 100 de la fête. Parce que nous, nous salissons nous ne prenons pas le soin d'assainir et nous, les pratiques hygiéniques, même dans les centres urbains, mais c'est déplorable la, situation. Comment nous pouvons mm. <laughs> prétendre à, à, nous protéger nous-mêmes tant que nous n'avons pas ce comportement L'assainissement, je vous assure aujourd'hui, c'est un mot qui ne dit rien pour une grande partie des Nigériens. Parce que pour, le cas, pour le cas du choléra, euh, les, les, agents de santé conseillent le plus souvent le lavage systématique des mains. Le lavage des mains, c'est un comportement. C'est-à-dire il y, a, des projets, des programmes tout à l'heure où en avait parlé, oui, qui, qui, encouragent pour que ça soit un comportement, que ça ne soit seulement pas une campagne de sensibilisation, mais un comportement à chaque instant de laver les mains. Donc il faudrait vraiment euh, essayer d'intensifier toutes ces actions. Elhaj Suleiman Mamadou, euh, que faut-il quand même s'allier dans la prise en charge de, de, cette maladie dans cette zone de, maladie non, euh, les, les êtres l'ont dit. On a dit, euh, en tout cas, on a parlé de 1560 malades atteints et 24 décès. cela signifie quand même qu'il y a une certaine rigueur dans la prise en charge des, des cas. Bon, euh, maintenant, une fois que la pandémie est déclarée, maintenant, c'est, vous voyez, c'est la, gestion des conséquences. Mais je pense que la bonne pratique, c'est plutôt épidémie. Hein. La, hein? la, la, la, la, prévention, c'est de précautions, donc de, de mesures dans le sens de prévenir. C'est assez, euh, en fait, euh, colossal comme chantier. Lorsqu'on voit dans les villages où la précaution, c'est autre chose vous voyez, euh, on vient de mettre à, nu une des réalités de, en tout cas de, notre pays. Tellement les défis sont énormes, par exemple, vous voyez, au village, euh, ce n'est pas un souci pour, les gens, parce que simplement, les latrines, tout ça, vous voyez, même ce que vous dites, euh, quelqu'un avait, avait dit, lorsque les projets étaient venus montrer aux, aux Nigériens comment laver leurs mains, un responsable avait dit que, vous voyez, on vient nous apprendre comment, comment l'avait Donc, mais, pourtant, mais pourtant, quand c'est des gestes euh, vraiment qui, qui, qui, valent euh, la, la, la, peine parce que simplement, euh, la question d'hygiène, c'est une réalité. Lorsque la capitale, on l'observe tout, le temps. Donc, c'est aussi cela, en fait, la question, la question de santé. Donc, en tout cas, moi, je pense que, entre autres, la sensibilisation doit continuer à tous les niveaux. Les religieux, quand ils font leur prédication, euh, les médias, en tout cas, toutes, les autorités, de continuer à sensibiliser les gens, aller dans les villages là où effectivement le message peut être audible. Une fois, par exemple, comme l'a dit Yosséni, expliquer aux gens en fait qu'est-ce qui a à la boîte de cette maladie, effectivement pour avoir donc euh, des, des, des, comportements absolument nécessaires, en tout cas pour prévenir euh, les maladies comme le choléra. Alors nous arrivons à présent à l'élection au Mali je le disais, euh, donc le président sortant, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, est réélu à la tête du Mali avec un score de 67,16% des voix contre 32,84% pour son challenger Soumaïla Sissé. La Cour constitutionnelle malienne a validé ces résultats lundi dernier, des résultats contestés par le perdant Soumaïla Sissé, qui a appelé hier les Maliens à sortir samedi pour encore dénoncer ces résultats. Pour le président Ibeka, ces élections étaient propres à travers sa réélection. Les Maliens ont reconnu les efforts fournis par son gouvernement, euh, son premier quinquennat. Quelle lecture alors, euh, Suleyman, Suleiman, vous, faites de ces déclarations contradictoires, sans oublier que le vainqueur Ibeka a tendu la main à tous les Maliens, dont Soumaïla Sissé, pour construire ensemble le Mali euh, J'avoue que la situation malienne euh, est assez préoccupante et au-delà du Mali, euh, à l'échelle africaine, les plus comme les élections constituent une pomme de discorde parce qu'elles sont rares les pays où il y a élection, il n'y a pas contestation, même euh, à provoquer une crise post-électorale. C'est ça qui est vraiment gênant. Par rapport maintenant à la réalité, il faudrait que euh, seulement, seulement contrairement à son attitude euh, euh du premier mandat de, euh, Ibeka, il est allé le féliciter avec sa femme. C'était vraiment apprécié, une très belle image. Mais cette fois-ci, pour des raisons qui lui sont propres, il a rejeté. Il n'a pas seulement rejeté, il a appelé, en fait, euh, et il a pris à partie également aussi la Cour constitutionnelle. Euh, bref, moi, de mon point de vue, j'avais trouvé que, quand il y a, comme dirait l'autre, des limites en tout. Euh, les règles du sont telles que euh, la Cour, c'est vrai, d'aucuns disent que la Cour constitutionnelle, a tous ces, tous ces recours, peut-être qu'elle aurait pu diviser l'apport en deux, considérer que voilà, tel recours, tel, bref, dans, tous les, dans tous les cas, dans tous les cas, la situation telle qu'elle est, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que le recours à la rue est la meilleure euh, voie pour, pour cesser euh, moi, je pense que euh, c'est quand même une situation. Dans tous les cas, c'est le d'un pays étranger. Il appartient aux Maliens hein, véritablement de, de, de, trouver une solution, soit euh, dialoguer, mais franchement, je pense que, par exemple, aussi, il faut déplorer le fait que lui-même, avait donné ses propres résultats euh, quelle est aussi leur validité pour se dire que celui qui, celui je crois, il l'erreur qu'il a eu à commettre, l'erreur qu'il a eu à commettre, c'est d'accepter que au premier tour, il sait très bien que l'autre avait plus de 40%, lui il avait 17%, il n'a pas contesté le, le, résultat du premier tour ou du moins certes il a effectivement il a eu bourrage il a dit d'urne mais mm. il n'a pas refusé il a accepté d'aller au second tour dans l'espoir de, gagner bref euh, moi je pense que ce qu'il faut souhaiter c'est qu'en Afrique vraiment qu'on puisse davantage et ce qui est encore désolant ces élections partout ailleurs, les observateurs viennent dire, par exemple, on a, même les de viennent dire qu'ils n'ont pas constaté de, d'illégalité. Par conséquent, ils viennent cautionner. Et par la suite, il y a une crise électorale dans un pays. Franchement, vous voyez ce que ça fait en termes, parce que quand même, les élections coûtent très cher. Ça coûte beaucoup d'argent. Et lorsqu'on voit que, franchement, demain, on va voir le comportement des Maliens. Est-ce qu'ils vont mettre, euh, euh, la ville de Bamako bras On ne sait, pas. Mais franchement, je euh. pense que il va falloir donc faire attention. Faut faire attention. Le cas malien, en tout cas, c'est tous les pays, en tout cas africains, qui sont interpellés. Donc, il faut faire attention en matière de la conduite euh, du processus électoral. Hussein il faut faire attention en matière de conduite des processus électoraux en Afrique. On a vu que, en tout cas, d'aucunes voix se sont levées pour euh, certains ont dénoncé, ont déploré le fait que euh, des organismes internationaux ou même de, de puissances euh, occidentales ont félicité le, président Ibrahim Boubacar Keïta avant la validation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. mais là, c'est une précipitation. C'est une précipitation qui peut créer, en, tout cas, qui peut mettre de l'huile sur le feu. Vous êtes venu observer, attendez que les résultats soient officiellement donnés. En tout cas, que les résultats, la Cour constitutionnelle valide les résultats. Mais ce que je tiens à dire par rapport à ce cas précis, c'est que c'est la défense de nos systèmes, de nos processus. un processus, un processus électoral doit être inclusif. C'est-à-dire, compter avec tout le monde. Tout le monde. Il faut que ça soit transparent. Mais parce que on est en position de pouvoir, on considère que on peut disposer des éléments de la Cour constitutionnelle, les gens qui constituent la Cour constitutionnelle, on peut disposer de la CENI, on peut disposer, on peut appeler, parce que en tant que président en exercice, c'est ton gouvernement qui donne l'argent ou qui doit chercher l'argent pour organiser les élections. Malheureusement, quand le processus de bout en bout, du départ jusqu'à euh, comme avait dit à l'échéance, le processus n'est pas transparent. Il faut s'attendre à ces actes de contestation. Mais la deuxième chose que je tiens à déployer pour dire que les organisations internationales, quand on parle de, comment vais-je dire, euh, les, observateurs internationaux qui viennent, tout ça, ils viennent, ils, ne tiennent pas compte d'un certain nombre de paramètres, ils ne prennent pas en compte un certain nombre de paramètres, ils circulent dans quelques bureaux de vote, ils voient souvent dans la capitale ou dans des capitales régionales, ils vont, ils regardent. Mais c'est pas ça qui reflète la réalité de l'ensemble du pays. Malheureusement. Et la troisième observation que je tiens à faire. Hmm. Soumaïla Sissé était président de la commission de, de et moi. Il a envoyé il a l'habitude d'envoyer en tant que quand il était à ce poste-là des, des, des, missions d'observation pour dire aux, vaincus ou aux, perdants de suivre les voies, les voies, comment euh, dirais-je, les, voies légales. recours. Voilà quelqu'un qui a envoyé des missions d'observation un peu partout, qui dit qu'il n'est pas d'accord. Et il n'est pas d'accord, il ne reconnaît pas le président Ibeka. Ça, c'est son cas. Lui, le cas de Soumaïla Sissé. Le second cas que je vais citer, c'est Jamping, président de, la, commission de l'Union africaine. il a envoyé des missions d'observation dans beaucoup de pays d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, il dit qu'il ne reconnaît pas Omar Bongo. Mais Issa, est-ce alors que, là, euh, est-ce que si ces gens ont des raisons, des raisons de non, douter non, non, non, à partir du moment où, en tant que tu as géré des institutions comme ça, quelque quel soit, moment... quel que soit la, non, ça veut dire que ça décrédibilise les, missions d'observation. Ce n'est pas des missions d'observation. Parce que, en tant que président, tu as envoyé dans d'autres pays pour dire au perdants d'accepter. Et toi, parce que tu es un candidat, tu as, été, euh, tu as perdu, ou du moins, d'une manière ou d'une autre, tu as perdu. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Et alors, ça sert à quoi ces missions d'observation-là à l'occasion de ces élections Ça sert à quoi Issa, Issa, à la vie en tout cas, Soumaïla Sissé conteste les résultats. Il appelle les Maliens d'abord, d'ailleurs, à sortir euh, pour contester ces résultats dans la rue. Euh, pour vous, euh, pour quel impact est-ce qu'il, quest Déjà, le Mali, c'est un pays fragile. Le Mali est en train de vivre aujourd'hui une période très difficile. Le Mali vit une euh, un problème de division Parce que jusque-là, Ibeka n'a pas réunifié tout le Mali. Est-ce que vous savez que, malgré ce qu'on dit, il y, a des, il, y parties du Mali que l'État malien n'est pas du tout présent Tout ça, c'est un secret de polichinelle. Il y a des parties du Mali où il n'y a pas eu d'élection. Donc, dans ce contexte, moi, je pense que le Mali a besoin plus d'unité pour se construire pour se réunifier, pour qu'il y ait ce seul Mali, ce pays un et indivisible, au lieu d'aller, parce que la contestation dans la rue ne peut que engendrer la violence. C'est des gens qui sont en train d'envoyer à l'abattoir pour être. Certes, Ibeka, tout le monde sait que du moment où, moi, je savais que Ibeka, pour moi, à mon avis, je savais que Ibeka ne va jamais organiser des élections et les perdre. Non. C'est pas du tout évident. Il a accepté le premier tour. Il fallait contester, mettre déjà en question les résultats du premier, parce que avec 47%, euh, normalement, il faut pas accepter. Maintenant, séquence à cette période, vous demandez aux aux gens de sortir. Pour quel but? juste pour que vous vous envoyez ces gens à l'abattoir, or que le Mali n'a pas besoin de ça. Cette IVK, il a fait ses travaux. des manifestations. Mais euh, non, mais attendez, non, dit de de parler d'abattoir. Ils, vont sortir, ils attendez, le, le mot d'ordre c'est quoi? Sortir et contester le président. La réélection du président. C'est-à-dire, ils vont défier l'autorité malienne. Et vous pensez que l'autorité malienne va rester les bras croisés pour laisser à un groupe de femmes ou d'hommes venir contester l'autorité, mettre en péril les institutions démocratiques, ça jamais, aucun pays, dans aucun pays, ce n'est possible cela. Donc, moi, je pense qu'il faudrait privilégier le dialogue. Avant tout, le dialogue sur une table, on peut trouver vraiment que le juste milieu. si il y a lieu de faire un gouvernement d'union nationale, il faut le faire. Mais quand même, à l'heure actuelle, où le Mali, dans une partie du Mali, l'État n'existe plus, encore, dans le sud où on pensait qu'il y a l'accalmie, déjà du, à partir le sud seulement. Le centre et le nord n'en parlent même pas d'État malien. Eh, Maintenant, est-ce que c'est de ça que le Mali... Alors, ce dialogue, est-ce que par eux seuls, les Maliens peuvent parvenir à ce dialogue ou il faut l'intermédiaire euh, Mais pour, bon sang, moi, je, voilà une idée que je suis pas d'accord. Qu'on dise qu'il faut que quelqu'un vienne nous réconcilier. C'est nous, nous sommes dans notre maison. Et c'est à nous de savoir c'est quoi nos intérêts, dans quelle direction nous allons partir. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour venir. Les Maliens, entre eux aujourd'hui, ils ont ce devoir de se concerter, de se parler pour prendre une bonne Et direction. Et ça, merci, merci. Nous sommes, nous sommes, nous sommes au fin, au, au, euh, Juste 5 secondes. Que quand euh, pour Sissé euh, moi je pense qu'il est encore jeune. sur le dernier mandat de, de doit quoi, attendre. en soit, les faits sont faits, mais je pense que si la confiance fin du forum de ce soir, nous étions en compagnie de Elage Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter, Issa Mormadougou de la radio et télévision Ténéré, Hussein Issa, journaliste freelance. Bonsoir.